Environ 107 500 lycéens ont repris le chemin de l'école le lundi 18 septembre dernier dans tout le Niger. La rentrée scolaire 2017-2018 s'est déroulée à Niamey selon les chefs d'établissement, à l'exemple du lycée Issa Korombe où des kits scolaires ont été distribués aux élèves. On a reçu des cahiers, un ensemble géométrique, quatre stylos, trois bics bleus, un bic rouge. Par ailleurs, à Dosso, cette rentrée a été boycottée par les élèves à travers la section de l'Union des scolaires nigérien USN de la ville. L'actualité de cette semaine a aussi été marquée par la sortie des étudiants du côté de l'université Abdoumoun Diofo de Niamey où ces derniers ont brûlé des pneus aux abords du goudron et érigé des barricades. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey exige du gouvernement le respect strict des engagements souscrits. Salha Kaila, secrétaire général adjoint de l'UNUNA. La bourse d'avril-mai-juin n'a pas été payée à l'heure où je vous parle. La bourse des vacances censé être payé en septembre n'a pas été payé. Aujourd'hui, vous faites un tour dans certaines facultés, vous allez constater que certains étudiants s'adonnent à des accrochages sur des fenêtres pour prendre le cours. Le Premier ministre Brigitte Raffini, également président du Conseil national du dialogue politique CNDP, a convié l'opposition à une rencontre le 17 septembre en prélude à la session parlementaire prévue en octobre prochain. L'opposition a décliné l'invitation parce que selon elle, l'actualité cadre ne remplit pas toutes les conditions requises. Intikar Alassane, porte-parole de l'opposition. Nous sommes prêts à faire un dialogue inclusif, mais pourquoi et là ils ne veulent pas faire un dialogue inclusif Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui au Niger, il y a beaucoup de problèmes, mais leur seule préoccupation, c'est de venir s'asseoir pour mettre en place la CENI, les présidents et les vice-présidents. Mais est-ce que ça là peut régler les problèmes Les partis politiques non affiliés n'ayant pas été invités dénoncent ce qu'ils qualifient d'exclusion de partis politiques sur les questions d'intérêt national. Autre actualité de la semaine, c'est la célébration le 21 septembre de la Journée internationale de la paix. À cette occasion, la délégation de l'Union européenne a décerné à la haute autorité à la consolidation de la paix du Niger une distinction honorifique pour ses actions de préservation de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Enfin, la cinquième édition du tournoi de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA, débutée depuis le le 9 septembre prend fin ce soir au Ghana. L'équipe nationale du Niger a perdu sa demi-finale jeudi face aux Black Stars du Ghana par 2 buts à 0. La finale de cette Coupe de l'UFOA est prévue ce dimanche 24 septembre entre le Ghana et le Nigeria, précédée du match de classement.